le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Forum. 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont la réunion vendredi du Conseil national du dialogue politique CNDP et la déclaration mardi des partis membres de l'opposition politique nigérienne. En seconde position, nous parlerons de la sortie médiatique des avocats des fournisseurs dans l'affaire de l'audit au ministère de la Défense nationale. L'actualité, c'est aussi la déclaration du cadre de concertation et d'action citoyenne dans laquelle il demande la libération de ses membres emprisonnés depuis trois mois. Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir Al Haj Mohamedou directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Al haj Mohamedou bonsoir. Bonsoir. Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Et au téléphone, Ousseini Issa Jibo, journaliste freelance. Ousseini Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir, comment ça va Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous ouvrons ce forum par la réunion vendredi 12 juin 2020 du Conseil national du dialogue politique CNDP. Au centre de cette rencontre, la gestion de la COVID-19 et l'évolution des préparatifs des élections au Niger. Selon le secrétaire permanent du CNDP, il ressort de cette rencontre que les élections générales se tiendront aux dates constitutionnelles prévues, mais que les scrutins locaux eux, seront décalés. Dans une déclaration rendue publique euh, mardi, l'opposition nigérienne qui n'a pas pris part à la réunion du CNDP rejette toutes les propositions issues de la réunion. Elle réitère son exigence d'un dialogue national inclusif pour euh, des élections libres, transparentes et apaisées. Un extrait de la déclaration lue par le porte-parole euh, de l'opposition, Mamansani Sani Adamou. L'opposition politique nigérienne ne saurait accepter en aucune manière la réédition des élections de 2016. Aucun report d'un scrutin, quel qu'il soit, aucune mutilation de l'électorat tendant à priver la 9e région de son droit de vote ne sont recevables par l'opposition politique. Aussi, l'opposition politique rejette-t-elle toutes les propositions faites au CNDP du vendredi 12 juin 2020 L'opposition politique nigérienne dira très bientôt et dans les détails sa position par rapport au processus électoral en cours au Niger l'opposition politique nigérienne exige le traitement judiciaire diligent de tous les cas de malversation connus à ce jour, celui du ministère de la Défense nationale en premier, l'audit des autres institutions de l'État, la destitution de tous les responsables politiques et administratifs impliqués dans les différentes affaires en attendant leur traitement judiciaire, la lutte contre la corruption, les passe-droits et la fin de l'impunité, l'égalité des Nigériens devant la loi. Alors, Mahamadou Souleymane, que peut-on savoir au sujet euh, de la réunion du Conseil national du dialogue politique euh, du vendredi passé euh, ben, Il y a une rencontre entre la majorité s'entend euh, MRN et l'APR, plus les partis non affiliés, parce que déjà de la matinée du vendredi, l'opposition a fait une déclaration pour justement confirmer c'est qu'elle a toujours fait la politique de la chaise vide, donc euh, elle n'était pas venue. Et les observateurs avaient pensé que c'était une euh, occasion véritablement si l'opposition euh, voudrait en tout cas participer aux élections, elle allait le faire. Mais bon, elle n'est pas venue. On a constaté justement que ils ont opté plutôt pour faire une, une déclaration et ensuite une autre déclaration après avoir suivi les conclusions de, la rencontre, donc de la session du CNDP du vendredi. Euh, est-ce qu'il y, a eu, il y avait eu une concertation euh, au niveau euh, de l'ordre du jour Concertation Non, non, non. Écoute, sur la question du. De, l'ordre du jour concertation à quel niveau Avec l'opposition Avec l'opposition. Non, on n'est pas là, on n'est pas à ce niveau. Et ce qui était important, le Premier ministre avait convoqué tous les partis politiques en tout cas, tout le monde a été convoqué et sur les 143 partis de l'échec politique, il y avait 123 qui étaient présents. Même si, il faut préciser, au niveau du CNDP, ce n'est pas la logique du nombre, mais c'est euh, la majorité, l'opposition et maintenant les non-affiliés. Les trois blocs politiques. Les, grands, témoins. Ça, il faut le dire, c'est ça la vérité. Euh, mais euh, c'est que franchement, on se rend compte que depuis le début, il y a eu des occasions un moment, c'était l'opposition à sa demande. Euh, euh ils ont demandé à ceux qui ont créé un cadre, ce qu'ils ont appelé à l'époque conférence de, de, leaders. L'idée a été acceptée, toutes leurs, demandes ont été en tout cas acceptées, mais par la suite, euh, euh, ils ont en tout cas un peu achevé sur la question du formalisme, sur les terminologies. Ils voudraient que ce soit le président qui signe un décret. Bref, finalement, euh, le, euh, le, chef de file de l'opposition par intérim a écrit au Premier ministre et ils ont depuis lors justement encore quitté le, dialogue. Donc, euh, ce qui est important, ça c'est entre politiciens, c'est-à-dire que le dialogue, on se rend compte que souvent il y a mauvaise foi, mais ce qui est important pour moi, c'est peut-être les conclusions à retenir du, CNDP passé. C'est que l'exécutif, par son, le chef de du CNDP et Premier ministre, il a dit clairement que ils sont tenus de respecter les délais constitutionnels. Autrement dit, il a dit pour rien au monde, et donc ils vont faire les élections. Maintenant, on lesquelles des élections Les élections locales, la présidentielle, premier tour Il y a quelques problèmes, euh, en tout cas, notamment de la question des locales. Le président de la CENI a informé la réunion que le local va se tenir euh, le 1er euh, novembre en principe. Euh, maintenant, il dit que, en tout cas, présentement, il a des inquiétudes qu'il ne puisse pas, en tout cas, être en, à mesure, De, les organiser. Maintenant, dans le débat, effectivement, ils ont fait des propositions pour dire qu'on peut les jumeler avec les élections présidentielles deuxième tour, ce qui pourrait nous faire, faire des économies. maintenant, l'autre question, c'est la question du vote et demande des gérer à l'extérieur. Et ça, c'est une force majeure selon le président de la CENI parce qu'il dit que jusqu'à présent, les frontières sont, fermées. C'est une évidence, c'est pas faux. Euh, euh, deuxième chose, il faut d'abord qu'ils soient enrôlés. Et ils ont cinq députés, je crois, donc euh, justement au, niveau de la, cela veut dire qu'ils ne sont pas enrôlés. Donc, il peut effectivement, peuvent ne pas être euh, donc euh, représentés. Donc là, c'est un problème aussi. Maintenant, le président de la CENI a dit qu'il a informé le Premier ministre pour saisir la Cour constitutionnelle. pour vraiment la déclaration adoptée parce qu'il dit c'est une force majeure. Donc euh, maintenant, l'opposition a fait sa déclaration et vous avez entendu le porte, en tout cas celui qui dit ils vont dire leur position sur le processus électoral. mais on se rend compte franchement qu'il y a une sorte de dilatoire qu'en réalité, quand on dit dialogue, on dit deux, mais en réalité, il faut être sur la table. Je pense que même les partis, euh, je veux dire que euh, qui ont vraiment été très très honnêtes pour en fait dire à la majorité, malgré tout, il, faut, il faudrait faire, continuer à amener l'opposition au dialogue. Même ils ont dit en tout cas, on ne peut pas dédouaner euh, l'opposition parce qu'en réalité, pour quel que soit votre, je veux dire, votre récrimination en tout cas, quels que soient vos griefs, il faudrait que vous soyez sur la table du dialogue pour que vous puissiez vraiment les mettre en avant et on en discute. Mais quand vous ne venez, pas, vous voyez, franchement parlant, ça frise un peu de, la mauvaise foi. Et quelque part, par exemple, je me reviens de la médiation de, de l'OIF. quand euh, Dossou était, était venu là, il a essayé de, de, vraiment euh, de créer les conditions du dialogue, et c'est l'opposition qui a sabordé son initiative pour dire qu'il est aux ordres de, la majorité et c'était très gênant. Et vous savez, l'OIF, euh, en tant que concerne le Niger, elle a une expertise avec le NDI, en tout cas. En matière de euh, l'organisation des élections. Absolument. Hussein Issa dans sa déclaration, l'opposition politique nigérienne rejette toutes les propositions issues de la réunion du CNDP. Comment comprendre cette attitude de l'opposition eh eh, Merci, Mokhtar. L'opposition a rejeté, en réalité, oui. Moi, je suis contre la politique de la chaise vide. Je suis contre cette politique. Mais vouloir dire que l'opposition euh, n'a pas raison, c'est un peu de la démagogie, démagogie, une certaine mauvaise foi. Un processus électoral se conduit avec tout le monde. Tout le monde. On ne compte pas. Ce n'est pas une affaire de majorité, ce n'est pas une affaire d'opposition. Les gens viennent, ils s'assoient, ils s'entendent sur un certain nombre de points. Les points qui font objet de polémiques, les gens trouvent des solutions, un consensus autour de ça. Tout le processus a été conduit jusqu'ici sans l'opposition. Et quand l'opposition va venir, c'est juste pour valider, parce qu'on parle de questions de nombre. Moi, je me rappelle au moment où ce cadre-là a été créé en 2004. C'était un cadre qui a été créé pour pouvoir apaiser les questions, les conflits politiques les conflits euh, sociaux qui peuvent se poser. Malheureusement, c'est quoi <laughs> Le cadre a été dévoyé, complètement dévoyé. Oh, on parle de questions de nombre, Ce n'est pas une question de nombre. Aujourd'hui, tout à l'heure, je viens d'entendre Suleiman dire il y avait 143 partis politiques. Il y a des partis politiques qui ne sont pas du tout représentatifs. Pas du tout. Pas du tout représentatifs pour pouvoir vouloir imposer parce qu'on va passer aux questions. Ce n'est pas une affaire de, de force vote au niveau du CNDP. S'ils ont décidé de le faire, ce que moi j'ai dit, ils avaient demandé le dialogue national inclusif. Le principe a été retenu. Est-ce qu'il y a eu ce dialogue jusqu'à ce jour Ça n'a pas eu lieu parce que tout simplement du côté du pouvoir, on considère que, bon, y contraire, nous, nous sommes plus nombreux, mais nombreux par rapport à quoi On est dans une posture où, bon, ce que l'opposition a dit, je ne suis pas leur porte-parole, je ne suis pas un défenseur, mais ce que le prochain a dit et la posture de l'opposition, je suis tout à fait d'accord, parce que tu ne peux pas aller valider, tu ne peux pas aller valider, et comme avait dit, une, une, forfaiture quand il est question d'élection, il est question d'élection dans, une logique de transparence, dans une logique d'inclusivité. De, de, et quand on fait les choses en amont, après on dit venez vous valider. Mais alors, ils vont valider quoi Tout à l'heure, <laughs> j'ai entendu dire et les élections locales, pour des questions de, de, préparation, on va plus, on ne peut pas faire les élections locales dans les délais prévus. Mais moi, je dis quelque part, les élections locales sont plus importantes que toutes les deux autres élections parce que c'est des élections de proximité. Je sais qui j'ai, qui j'ai voté, je sais qui c'est le maire, je peux aller l'interpeller. Mais quand ça fait cinq ans pratiquement qu'on refuse d'organiser ces élections, et ça peut permettre de déterminer le poids réel de chacun. Mais quand les gens, donc, ils, sont dans une logique où il ne faut pas les organiser, parce que si on les organise, ça va mettre certains à nu. Ça va mettre certains à nu. On refuse de les organiser. On va continuer à dissoudre des conseils au motif qu'ils ont mal géré pour quelques 10 millions, 15, 20, 30 millions. Des gens, au niveau gouvernemental, des gens volent des milliards. On est incapable de sanctionner. Mais au niveau des, des gens qui sont euh, que, les populations à la base peuvent interpeller pour dire nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. On considère qu'on peut les supprimer, on peut les balayer pour amener des gens, des gens, que c'est le gouvernement qui les a nommés, ils ne sont pas mandatés par le peuple pour venir gérer. Ça pose un problème dans un pays. Partout ailleurs, les élections locales sont davantage plus importantes que les élections présidentielles et, les, les, les législatives. Hussein Issa, comment amener l'opposition à reprendre langue avec, avec la majorité prends langue là. Ils ont demandé cette histoire de dialogue inclusif, n'est-ce pas Ça s'est tenu ou pas Ils avaient demandé, c'est juste une question de. Il faut faire les choses de telle manière que quand les, les conclusions qui seront issues. Quand les conclusions vont être euh, présentées, ces conclusions-là, en force de loi. Mais quand <laughs> on dit, bon, allez discuter, mais discuter, quand à la fin de la discussion, les recommandations qui ont été formulées peuvent ne pas être appliquées, mais ça va servir à quoi Pour moi, quelque part, la mauvaise foi, c'est plus de l'autre côté. C'est plus de l'autre côté. On peut arranger tout ça depuis en amont. En amont, on pouvait mettre fin à tout cette situation qu'on est en train de connaître, c'est quand même des, grands, euh, de grandes personnes. Et on vient, on dit, <laughs> c'est eux qui ne veulent pas. Non, mais c'est de l'autre côté, on a, vouloir, on a décidé de faire ce qu'on a envie de faire et on veut continuer à faire en faisant venir, en les faisant cette venue pour qu'ils valident. Parce que la présence, c'est une façon de dire, OK, <laughs> ils sont là, ils ont validé. Non. je, suis contre la politique de la chaise vie ça sert à quoi d'aller soit là où on parle de, nombre de partis Il y a combien de partis qui représentent absolument rien du tout Merci Ousseini. Merci On va revenir vers vous le temps de donner la parole à Gary Amadou. Gary Amadou, le président de la République Issoufou Mahamadou, s'est engagé à organiser des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Comment créer un fort consensus euh, de la classe politique autour euh, de ces élections je vais d'abord répondre à. Euh, J'ai rapidement. rapidement la réaction de Husseini. Euh, euh, il dit euh, il y a des petits partis qui ne servent à rien. Non. Les petits, les petits partis servent à quelque chose. La preuve. Il a, il a quand même commencé par déplorer l'attitude de la chaise vide. Non, il, dit il, il, il pas, il est contre la politique de la chaise vide, mais il est d'accord avec la position de l'opposition. C'est une totale contradiction. Est-ce que vous comprenez Deuxième chose, il dit que non, les partis politiques, il y a des petits partis qui ne représentent rien du tout. Ah non, s'il y a quelqu'un qui sait que les petits partis politiques sont importants, c'est bien l'opposition. Qui a lu la déclaration de l'opposition De quel parti politique C'est quoi Orden moi donc vous voyez. c'est quand même un parti politique. Eh, de, part et d'autre, il y a des partis petits partis politiques. non, c'est ce que j'ai dit, c'est pour, montrer à que les petits partis politiques sont importants et l'opposition le sait d'ailleurs plus que tout le monde, puisque la déclaration a été lue par quelqu'un qui est dans un petit parti politique. Donc, deuxième chose, rapidement, vous savez, l'opposition, euh, euh, c'est ce qu'on a toujours décrié. En réalité, elle fait comme si elle ne s'intéresse pas au CNDP. Elle dit non, non, je ne participe pas. Mais non, non, non, elle est là, elle scrute. C'est-à-dire qu'elle attend les conclusions. <laughs> Est-ce que, vous, mais est que vous comprenez Il faut qu'on explique aux citoyens ce qui se passe. Elle dit elle ne participe pas, mais non, elle est là aux aguets. C'est-à-dire que dès que la réunion finit, elle cherche les conclusions. Donc ça l'intéresse. Et c'est la preuve. Ça l'intéresse tellement que elle a fait une déclaration. Oui, mais bien sûr. Mon ami. Oui, Mokhtar, c'est évident. C'est du non-sens leur, leur, attitude. Et donc, on fait une déclaration pour dire oui, oui, par rapport à tout. Ils scrutent tous les points. Hein. Voilà, maintenant, euh, Gare comment créer un fort consensus de la classe politique autour de ces élections mais, mais, le, système, le système politique nigérien a déjà créé un cadre qui est le CNDP. Le, CNDP est là. tout le monde ne se retrouve pas au niveau du CNDP. Non, tout le, monde tout le monde se retrouve. Les gens sont hypocrites. Vous savez, tous les leaders des partis politiques de l'opposition, là, ils se sont fait enrôler. Hein. Ils se sont fait enrôler et ils ont publié la photo de Mais ils n'ont pas dit qu'ils n'iront pas aux élections. Ils n'ont ah pas Si vous dites que le processus est bancal, Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas oh, participé aux, élections. non, non, attends, Mokhtar, s'il te plaît. Tu dis que le processus est bancal. L'enrôlement qui est issu de ce processus bancal-là, tu pars, tu te fais enrôler, tu, tu mets ça sur Facebook, on te montre en train de te faire enrôler. Et tu appelles tes militants. Et après, tu dis non, non, tout, est faux, tout est mauvais. Non. Quand c'est mauvais, là, on ne fait même pas. Et donc, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que l'opposition aujourd'hui, elle est face à ses propres contradictions. Et vous savez, a bien fait de rappeler le dialogue inclusif qu'ils ont demandé. Ce que les Nigériens ne savent pas, ce que le dialogue que l'opposition voulait là, on a préparé ça pour le mois de mai. Toutes les structures, j'informe la population nigérienne, il faut que les gens soient au courant. Toutes les structures, les partis de la majorité, les partis de l'opposition ont été invités, les grands témoins ont été invités, ça devait se donner en main. La société civile a été invitée. Tout le monde a répondu présent. C'était une exigence de l'opposition, mais l'opposition a refusé de répondre. Pas de stratégie. ça n'a pas. Non, mais ça, non. ça navigue à vue. Il n'y a pas de stratégie. C'est du non-sens leur stratégie. Il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez Alors, on s'enrôle et puis on dit non, c'est pas bon. en réalité, on se prépare à aller aux élections. Est-ce que vous comprenez Mais alors, quelle est la meilleure manière pour venir dire ce qu'on pense c'est venir s'asseoir au CNDP, dire que bon, tout ce qu'on dit, nous on n'est pas d'accord. Et si vous voulez même, Mais comment faire pour avancer, Gary Amadou Aujourd'hui, vous savez, j'ai dit ça avant-hier sur une chaîne de télévision nationale. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, les grands témoins ont tout fait. Le NDI a tout fait. Tout le monde a, mis de, de, la bonne volonté pour que l'opposition refuse, par calcul. C'est ce que j'avais dit. Peut-être qu'ils ont un agenda. Peut-être qu'ils pensent que. J'ai dit, ben, peut-être qu'ils pensent qu'on n'ira pas aux élections et qu'il y aura un chamboulement, une catastrophe qui va faire en sorte qu'on va rabattre les cartes. Peut-être. C'est ça le calcul. Et donc, maintenant, on part, on, fait, on se fait enrôler au cas où. C'est ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, je vous dis, tout a été tenté. Maintenant, il reste six mois pour les élections. Oui, oui, comment faire pour avancer On doit avancer. On doit avancer. Mais écoutez, vous savez, la démocratie, ce que j'avais dit, vous savez ce qui fait la beauté de la démocratie. Qu'est-ce qui fait que la démocratie est merveilleuse Ce que tu peux boycotter une élection. Tu peux ne pas participer. Mais attention, c'est pas parce que tu boycottes eh ça, que ça, aura, conséquences. Non, mais ça, ça aura, aura un, goût, un goût amer, mais ce sera des élections. Eh, cest dire que tu peux ne pas participer. Non, c'est vrai. Tu peux ne pas participer, mais tu ne peux pas remettre en cause le processus. Dans un point de presse animé lundi à Niamey, le Conseil des avocats des fournisseurs de l'affaire de l'audit au ministère de la Défense nationale estime, je cite, qu'en état actuel de la législation pénale du Niger, la surfacturation ne constitue pas un délit relevant de la compétence d'une juridiction répressive. Fin de citation. Maître Marc Lébihan, membre du dit Conseil, revient sur les principaux types de manquements relevés dans l'audit. On euh, l'écoutant. Dans l'audit du ministère de la Défense, trois types de manquements prétendus ont été essentiellement relevés. Il s'agit d'une prétendue absence de livraison, d'une livraison partielle et de surfacturation. Or, il faut savoir, en l'état actuel de notre législation nationale, la surfacturation ne constitue aucunement un délit relevant de la compétence d'une juridiction répressive. Aucune incrimination ni aucune peine n'existe dans notre code pénal pour un cas même avéré de surfacturation. D'un point de vue juridique, il n'est pas possible de rechercher, poursuivre, inculper un individu pour des faits de surfacturation. En ce qui concerne nos clients, d'après le rapport que nous avons consulté, la quasi-totalité des contrats dont ils ont été déclarés adjudicataires ont été exécutés, mais demeurent à ce jour impayés. En conclusion, dans le rapport de contrôle a posteriori, il n'y a aucun élément factuel qui puisse fonder une quelconque infraction. Gary Amadou, venez là d'écouter euh, Maître Marca Lébian, votre commentaire oui, eh, mais, mais, écoutez, euh, j'ai vu les gens commencer à s'offusquer des propos des avocats. Non, mais l'avocat, il défend un client. Vous ah, savez. donc c'est de bonnes guerres. Mais, mais attendez, si Hitler avait été attrapé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il allait être défendu par un avocat. C'est ça la noblesse du métier d'avocat. L'avocat défend même celui qu'on pense qu'il ne mérite pas d'être défendu. Le marque il est bien, il est dans son rôle. Il défend un client. Et il a dit des choses. Moi, ce dossier-là, je ne le connais pas. N'est-ce pas mais il a dit des choses. Maintenant, on va voir l'avocat de, de, de, euh, comment on appelle ça là, de, la partie civile, ce qu'il va dire. Mais c'est une querelle entre avocats. C'est un argument contre argument. Mais moi, je ne suis pas choqué des propos de Maître Liban qui défend ses clients. Mais c'est comme ça. Là, mais pourquoi, moi, pourquoi les gens ont une conception biaisée de la démocratie Dans un État démocratique, les avocats défendent les clients. Même ceux qu'on pense être indéfendables, ils doivent être défendus. C'est comme ça l'État. C'est ça la justice. Moi, ça ne me choque pas du tout ce que Marc Lebien a dit. Marc Lebien est dans son rôle. Vous comprenez Il faut que les gens emmagasinent cela. C'est comme ça que ça, la, démocratie fonctionne, pas autrement. Mais dans le fond du sujet, que pensez-vous de ces dossiers Mais ce que je pense de ce dossier, c'est que, à l'état actuel des choses, c'est un dossier qui, qui, suscite un traitement judiciaire. Pour moi, il serait hasardeux de dire que X ou Y a fait quelque chose. À partir du moment où l'affaire entre les mains de la justice, ce qu'on va attendre de voir le traitement qui va être fait et ce qui va sortir du verdict. Est-ce que vous comprenez Mais pour le moment. Mais, beaucoup craignent qu'il n'y aura pas de suite. Non, il y aura des suites. Vous savez pourquoi La justice a son rythme de fonctionnement. Je pense que les gens s'inquiètent. Les gens pensent qu'il faut que forcément que la justice soit expéditive rapidement, qu'on juge les gens et qu'on jette les gens en prison. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez des affaires qui vont faire des années. Mais j'espère que ce que je souhaite, c'est que, en tout cas, cette affaire-là puisse être à, arrivée à son bout très rapidement pour que les gens puissent s'édifier, n'est-ce pas, pour savoir qui est coupable, qui ne l'est pas. Parce que dans toute cette situation-là, tous ces noms-là qui sont cités, il y aura certainement des gens qui vont être blanchis, il y aura peut-être des gens qui vont être condamnés, mais aujourd'hui, à l'état actuel des choses là, malgré tout ce qu'on dit là sur, Facebook là, personne ne peut mettre la main sur le Saint-Coran pour dire qu'un tel est coupable. Moi, je ne le ferai pas. Parce que d'abord, pour une chose, je n'ai pas décortiqué le dossier final qui est entre les mains du, du, du, procureur et, du juge. Il circule aussi sur les réseaux sociaux. Non, il y avait un office provisoire qui circulait, bien sûr. Mais vous savez, il faut avoir la, capacité d'analyse aussi des éléments chiffrés. <laughs> Je ne sais pas si les gens se, les gens se permettent tout simplement de faire des, des, des commentaires à l'emporte-pièce. Moi, j'ai dit à l'état actuel des choses, ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui ont commis des malversations avérées et bien que la justice puisse faire son travail et qu'il paye. Qu'il paye l'argent et qu'ils aillent en prison. Issa Hussein Jibo, quelles seront les suites judiciaires au Niger au sujet de cette affaire euh, de l'audit euh, portant sur la gestion des marchés au ministère de la Défense nationale au Niger oh, D'accord, je, suis, totalement d'accord avec Gary, avec ce que Gary vient de dire. Les avocats sont dans leur rôle. Ils ont été euh, recruter pour défendre le clients. Même si le client a tort, le travail qu'il doit faire, c'est de chercher à montrer qu'il n'a pas tort. Ben, ce qui est déplorable, c'est que, <coughs> tout simplement, on ne vise que les commerçants. Un opérateur économique à qui on passe une commande, est-ce que c'est celui qui s'est donné la commande Ce n'est pas un agent de l'État. Est-ce que celui qui s'est fait payer ce n'est pas un agent de l'État qui l'a fait. À partir de ce moment, normalement, on doit commencer d'abord par là, parce qu'il y a une chaîne de défense de l'État. À partir de ce moment, on cherche à voir qui sont au niveau de la chaîne et qui ont passé ces marchés-là, qui ont accepté que les surfacturations et autres malversations puissent se commettre. On, on les prend parce que tant qu'on ne touche pas, ça veut dire que le même système va continuer demain. Si on met aux frais ces opérateurs économiques, d'autres opérateurs qu'on vont être créés pour faire ce même genre de... de, de vous faites allusion au cadre de l'administration, au ministère... Mais bien évidemment, mais qui se donne un marché C'est quelqu'un qui peut te donner un marché. Quand tu cherches un marché, parce qu'il y a une demande, même si c'est de manière de gré à gré, mais quand qu'il ne satisfait pas, parce qu'il y a un, minimum qu'il faut, il faut, il faut, il faut, comment dire, il y a un minimum à satisfaire. Quand il ne satisfait pas ce minimum-là, on ne peut pas. Quand, à partir du moment où le marché a été donné, depuis, on parle, moi, je ne suis pas en train de les défendre, mais je pense que les avocats, tels qu'ils ont tenté de défendre la surfacturation, effectivement, mais au-delà de la facturation, il y a le faux, usage, de faux aussi. Parce que bon, il y a des sociétés fictives qui ont été créés pour faire transiter des montants énormes ou des versements ont été faits pour des sociétés fictives qui ont disparu aujourd'hui. Ça, c'est un problème. Mais le principal problème, c'est d'abord ceux-là qui sont dans le système au niveau de l'État, qui sont là, qui ont donné les marchés, mais personne n'en parle. Il faut en parler pour pouvoir, si on veut assainir, pour pouvoir rendre justice aux paysans, il faut d'abord passer par là. Maintenant, je ne sais pas si c'est le s'il faut les qualifier. Parce qu'un commerçant, j'achète un paquet de sucre à, 800 francs, je viens, je va à, 1200 francs. Mais à partir du moment où on a accepté d'acheter mon paquet de sucre à 1200, alors que c'est à 800, si j'ai un bénéfice de 100 francs, 900, personne ne s'en fiche. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on s'achète des gens qui ne se sont pas donné les marchés, hein, parce que c'est important. C'est important. Un marché, tu ne te donne pas un marché dans l'administration, y compris à ce niveau. Parce que c'est un ministère sensible, c'est la défense. Que les gens ils puissent disposer. Ils sont allés acheter, on dit, il y a des armes défectueuses, il y a des munitions qui ne percutent plus. Dans pourtant, ils sont venus, des gens ont apposé leur signature pour dire qu'il y a eu fourniture. Mais alors, on veut quoi On veut changer ou on veut continuer dans la même dynamique c'est la question principale qu'il faut se poser. Quand on veut sanctionner, il faut commencer par sanctionner, assainir au niveau de l'administration. À ce moment, le commerçant ou l'opérateur économique qui veut un marché public, il est obligé de respecter. Autrement, quand il va amener le matériel qui, a été commandé, si ce n'est pas le matériel conforme, on le lui Tout C'est à lui de se débrouiller pour, pour, pour comment dire, pour pour, trouver son argent, mais l'État ne paye pas. Mais c'est l'argent public qui a été utilisé dans, cette affaire. Pourquoi on, se tait là-dessus On se focalise uniquement sur ces opérateurs. C'est des commerçants. C'est des commerçants. Ils cherchent l'argent. Merci Hussein Issa. Merci Hussein Issa. Mohamedou Suleiman, lors de cette conférence de presse, l'avocat de l'un des principaux fournisseurs euh, de matériel au ministère de la Défense a déclaré que ce n'est pas moins de 16 milliards euh, que le Trésor public doit à son client pour euh, des services rendus. Quelle est votre opinion à ce sujet Je dois dire que contrairement à mes prédécesseurs, moi j'ai trouvé très choquant à l'endroit des Nigériens, c'est que les, propos des avocats. Parce que tout simplement, quand même, c'est pour moi se moquer de l'intelligence des Nigériens. Nous avons appris, même si on, nous, sommes d'accord pour la présomption d'innocence, mais le mode opératoire, comment ils ont procédé, les Nigériens étaient informés. Ces gens-là, ils ont mis en concurrence soit des sociétés fictives ou bien leur propre société ont en réalité, euh, moi aujourd'hui, j'ai publié un article euh, fait par un juriste, euh, un Nigérien qui enseigne à, à l'université de, Dakar, qui est, qui, qui, juriste. Et juriste, il a vraiment spécialisé des questions de marché. Il a parlé de la surfacturation et des différents cas de figure. Il dit que véritablement, la surfacturation, il y a des moments où elle tombe sur le faux, usage du faux, il s'agit bien effectivement de le dire. Donc, en réalité, euh, mettre le bien, aller jusqu'à dire que l'état actuel euh, de la situation du Niger, mais en réalité, c'est des juristes, avocats aussi. C'est pourquoi hier, le, le, Conseil de l'ordre d'avocats a fait une note de service rappelant les avocats à l'ordre pour le respect de l'éthique et de métier parce que simplement, ce qu'ils ont fait est de nature véritablement à terner l'image de, de l'avocat parce que quand même, euh, euh, dans ce dossier où toute la nation est indignée, quand vous venez prendre de position, positions, ça montre tout simplement que l'avocat n'a pas de conscience de l'intérêt national, là, la conscience de ses honoraires. Donc, de ce point de vue, c'est révoltant, en tout cas, ce qu'ils ont fait. Et je pense que euh, la motivation de, de, la note d'hier du service, selon, mes, informations, c'est effectivement la confusion, où ils ont arrêté de, de, la polémique qu'ils ont créée, en tout cas de nature, à traîner l'image en tout cas de la profession. C'est pourquoi ils ont fait. Donc, euh, par rapport à, à, à, la, question en tant que telle, euh, euh, oui, en fait, leur élément de langage, c'est-à-dire que leurs clients sont blancs comme neige et pour conséquent, c'est eux qui doivent de, à l'État. Mais en réalité, dans tous les cas, et ils le disent, les avocats, c'est une affaire pendant devant la justice. C'est au tribunal de défendre, d'amener. C'est pourquoi le faire euh, maintenant de la précipitation. Donc, quelque part, en réalité, ce qu'on a compris, euh, ils veulent arracher, en tout cas, euh, <laughs> en tout cas, disons que dans tous les cas, comme l'a dit le, juriste dont je parle, le docteur Adam Issou, il dit que c'est seulement le juge qui va faire la qualification appropriée du délit en tout cas, c'est lui qui est technicien qui va avoir la situation dans son investigation, C'est lui qui va faire la qualification qui sait à la situation. Donc euh, les avocats, leur qualification peut ne pas effectivement être, euh, retenue. Donc moi, je pense qu'en tant que euh, citoyen de ce pays, vivement vraiment qu'on laisse vraiment la justice faire, le, travail. récemment, nous, on a fait une interview avec le ministre de la Justice. Franchement, à un moment, effectivement, on peut douter mais quand on apprend comment effectivement le président de la République euh, a pris ce dossier pour le remettre à la justice, on se dit qu'il n'y a aucun doute. Lui, il voudrait qu'effectivement les gens rendent compte parce qu'ils l'ont trahi. Il a confié, en tout cas, des responsabilités aux, gens. Il, était confiant et voilà, ils ont abusé. Il a mis beaucoup d'argent dans, dans la sécurité. Maintenant, les gens ont profité vraiment pour faire autre chose. Et je pense que c'est une autre raison pour la nation. Les gens doivent effectivement payer ce qu'ils ont fait pour le pays. Le cadre de concertation et d'action citoyenne demande la libération de ses camarades emprisonnés depuis trois mois. Il s'agit de Halidou Moukaila, Michael Zodi et Moudi Moussa. C'était dans une déclaration rendue publique lundi. Pour rappel, ceux-ci ont été arrêtés et emprisonnés à la suite d'une manifestation pour soutenir les forces de défense et de sécurité et exiger la transmission de l'audit de l'inspection du ministère de la Défense à la justice. Hussein Issa, quelle est votre réaction au sujet de cette déclaration de la société civile Oui, mais, mais <laughs> c'est dans l'ordre normal des choses. Ils étaient plusieurs à être interpellés, arrêtés et puis j'étais en prison. Ensuite, il y a eu trois qui ont été libérés. Il y a trois autres qui sont arrêtés. Est-ce que le dossier a évolué ou pas Le dossier, bien évidemment, a évolué. La transmission a été faite du dossier, on vient d'en parler. C'est la justice qui est en train de s'en occuper. Alors, à partir de ce moment, pourquoi continuer à garder des gens Pour avoir tout simplement dit, il faut venir pour qu'on demande publiquement que ce genre de, malversation, ce, genre d'action ne puisse pas se passer, qu'on les prenne, qu'on les mette en prison, pendant que ceux qui sont euh, auteurs euh, ou co-auteurs ou complices de ce qui s'est passé eux, ils sont dehors, ils, se tranquillement. Tranquillement, ils se Les fonctionnaires qui ont passé le marché, je vais insister là-dessus, c'est d'abord eux. C'est d'abord eux. Pourquoi, alors, bon diable, on peut penser que on peut continuer à garder des gens dont le seul tort est d'avoir appelé les citoyens à sortir pour manifester. C'est normal que ceux qui sont dehors aujourd'hui, qui disent qu'il faut qu'on libère nos autres camarades, qu'est-ce qu'ils ont fait comme tort est-ce qu'ils ont tué Ils n'ont pas tué. Ils ont juste demandé ce qui est la transparence, ce qui est la lumière dans, sur un dossier. on maintenant, que des gens considèrent que non, non, ils doivent continuer à garder prison, moi je dis non. C'est vraiment une mauvaise foi et la bonne gouvernance suppose quoi On doit soutenir celui qui veut que la transparence prévale dans, dans, dans, dans, dans la gestion des affaires publiques. Et c'est cela qui sont aujourd'hui euh, dans, le collimateur, il ne faut pas parler. Il y a des problèmes qui se posent, il ne faut pas parler. Mais il y a des gens qui posent les problèmes, qui causent des amis, qui causent du tort aux populations. Eux, ils sont, ils sont là dehors, ils se tranquillement. Moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'ils reprennent la mobilisation pour obtenir la libération de ces trois camarades-là qui sont encore en détention. Je pense que c'est tout à fait normal ne va pas à, se dire que non, il mérite de rester en prison. En, vertu de quoi En vertu de quoi À partir du moment où l'affaire a évolué, à partir du moment où ce qu'on ne voulait pas faire au départ, c'est fait aujourd'hui. Le dossier est, comment veut dire, est, Et les, les, acteurs, en tout cas certains des acteurs, ils sont inquiétés. On vient d'en parler, comme je l'ai dit, mais il faut aller jusqu'au bout il faut aller jusqu'au bout et libérer les innocents parce que pour moi, c'est des innocents. Merci Hussein Issa, Alage Mohamedou Suleiman, Halidou Moukaila, Michael Zodi et Moudi Moussa ont passé plus de trois mois derrière les barreaux. Pensez-vous qu'ils doivent être libérés euh, mais absolument, quel que soit le crime fait par la personne, si elle a la possibilité euh, donc de qu'elle trouve, euh, qu'elle soit jugée, pour savoir euh, sa situation, je pense que c'est la meilleure option dans un état de droit. Euh, maintenant, euh, je me souviens que ces gens ont organisé une manifestation interdite pour effectivement revendiquer ce que nous venons de dénoncer, à savoir qu'il y a beaucoup de citoyens, acteurs de la société civile, journalistes, tous les citoyens nigériens, la majorité est indignée et elle voudrait justement qu'il y ait justice. Mais lorsque on pense qu'on doit maintenant euh, faire comme Zoro, c'est-à-dire être justifié, justifié en venant le faire n'importe comment, euh, mais arrêtez, dans un état de droit, euh, quoi qu'on fasse, il faut laisser la justice faire son travail. J'ai suivi la semaine passée sur RFI, Mouss disait qu'au niveau du parquet, on lui a dit que cette affaire ne peut pas se régler dans la pression. Donc il faudrait qu'on laisse les juges faire, faire leur travail. Moi, je dis que c'est une cause noble, ce qu'ils ont euh, euh, euh, fait. Mais entre qu'entre-temps, ce qui s'est passé, dans leur manif, il y a eu quand mort d'homme. Il y, a, un mort d'homme. Autrement dit. est-ce, est qu'il y, avait, est-ce qu'il y avait eu des enquêtes autour dans de tous les cas, il faut, enquêter, mais ce qui à la base de ça, c'est effectivement cette activité. Donc maintenant, le crime national commis par des gens au ministère de la Défense ne discute pas effectivement, s'il est avéré qu'on qu'on arrive à établir effectivement qui, était à la base. Donc, je suis en train de dire que ce n'est pas la première fois que la société civile, le CAC a fait particulièrement. Ils ont fait ça en 2018, en, voulant euh, combattre la loi euh, de euh, finances 2018. Finance 2018. ils ont fait un scénario tel que ils ont montré que si jamais cette loi passer, ça va être la fin du. Franchement, je pense qu'il faut savoir raison garder. En démocratie, il y a des façons de faire. Lorsque vous voulez forcer la main à l'exécutif, euh, euh, vous allez effectivement compliquer la situation parce que l'appareil d'État, il est en marche. Par exemple, comment expliquer le fait que trois sont sortis trois dans, la même Il n'y a que l'appareil d'État qui peut effectivement faire cela. Donc moi, je pense que euh, véritablement, nous adhérons à toutes les grandes causes dans nos pays. Nous, en tout cas, nous sommes engagés dans ce dossier, particulièrement le dossier de, de, de, de la défense en tant que Nigériens, nous sommes indignés. Nous avons vu les, soldats qui ont été exposés à la nation morts par des terroristes. Tout cela, nous sommes des citoyens de ce pays. Effectivement, on a pleuré, on, était indignés. Mais nous pensons que dans un état de droit, il faut laisser la justice. Maintenant, dans tous les cas, tôt ou tard, euh, si on pense que actuellement le pouvoir est en train d'obstruction à la justice, euh, tôt ou tard, en tout cas, un jour, la vérité va triompher. Et je pense que, si tant que la justice est indépendante, il faut la laisser faire son travail. Mais il n'appartient pas en tout cas aux jeunes de vouloir faire de la confusion. En créant la confusion, vous augmentez une autre confusion. Parce qu'aujourd'hui, leur cas, c'est un autre cas qui va être jugé en tout cas. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui prendre tous ceux qui, sont, qui, ont détourné la zone, que ce soit les, hommes politiques, euh, euh, les, hommes ou bien les, militaires, ils vont faire leur prison, mais si jamais il est établi qu'effectivement ces acteurs-là aussi étaient à la base de, euh, de, ce, qui, est arrivé, on va aussi les condamner. Donc tu vois, ce que moi je suis en train de vouloir dire que il faut faire la part des choses. Parce que aujourd'hui, si jamais par exemple tous les Nigériens se disent qu'il faudrait absolument qu'on sorte, euh, forcer la main, il faut que ici et maintenant, non. Même quand on, on, le fait, il va falloir se dégager. On donne ce dossier-là à un juge, à son nom et conscience, et doit rendre au nom du peuple. Gary Amadou, euh, quelle est votre opinion au sujet euh, de ces trois acteurs de la société civile en détention depuis plus de trois mois Oui, d'abord sur le principe de la déclaration, je trouve que c'est une déclaration tout à fait normale parce que bon, la société civile, euh, ceux qui ont fait des déclarations, veulent monter leur solidarité par rapport à leurs camarades parce qu'eux aussi ils étaient arrêtés mais ils ont été libérés, la plupart des gens. Donc monter leur solidarité par rapport à leurs camarades. Vous savez, ces gens-là, ces trois personnes-là, pour la plupart ce sont des amis à moi, vous comprenez eh, Moudi Moussa, Michael Zodi et, eh, eh, comment on appelle ça, là, Ali là c'est pratiquement des amis. Donc vraiment, je souhaite leur, libération. Mais comme l'a dit Suleiman, leur libération dans un processus normal qui puisse les laver. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, euh, comme ça, euh, je vais dire, au moment où l'affaire est entre les mains de la justice, ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'issue d'un procès, que ces gars-là puissent être libérés. Pas comme ça, je vais dire, les soustraire au processus de la justice et puis de les libérer. Ce n'est même pas à leur honneur. Vous comprenez parce qu'aujourd'hui, on les accuse de quelque chose, il faut qu'on puisse les laver de ces choses-là. Ils, ont, par ailleurs demandé une enquête il y a déjà quelques mois sur, ce qui s'est passé le jour de la manifestation. Non, mais l'enquête, l'enquête, je crois qu'il y a une enquête qui a démarré concernant les, les, cinq morts là et les dégâts matériels, parce qu'il y a eu pratiquement le marché d'Amadi a été, a été brûlé. Ah. C'est des milliards, qui, fait des centaines de millions qui sont partis en fumée. Je vais de voilà. Donc c'est des centaines de millions qui sont partis comme ça, des gens qui sont morts. Donc c'est une affaire grave, mais euh, j'espère quand même qu'à l'issue d'un procès, euh, équitable que ces camarades, euh, en tout cas ces gens-là vont être, euh, ces amis-là vont être libérés. Mais je dis que moi je me soucie de leur intégrité. Je pense que ce n'est pas à leur honneur que au moment, à mi-parcours, alors que l'affaire entre les mains de la justice, qu'ils puissent, libérer, qu'ils puissent être libérés sans qu'on puisse les blanchir ou pas. Ce n'est pas à leur honneur. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités El Hajj Mahamadou Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, Garé Amadou du quotidien La Nation et au téléphone Hussein Issa Jibo, journaliste freelance. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme Dissidio studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 euh, samedi, le forum à Hausa euh, sur la réouverture des écoles au Niger, comment garantir une bonne reprise des cours. Et dimanche, le forum en Zarma sur le thème promotion du compost au Niger, enjeux et défis. Merci aussi à la technique côté son assuré par Issa Lawali et côté vidéo Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.